parce qu'à travers les 47 départements du pays qui PNS les autant de voix que ne département de justice je rek Sénégal Dakar 19 communes il n'a même pas réussi à engager 20 000 voix donc je suis un candidat départemental je li nga Sénégal dañ suis la liste nationale le parti di xamal que mu xool bu baax li muy def parce que résultat yi ñu ko jox ni bu ko xoolee mooy les résultats yi nga moo am au niveau national 47 département fi am 47 département yi département Rufisque moo fi raw ak le maire Daouda Niang donc am na ay wax yu ñu dégg ñu naan le maire Daouda Niang dafa perte bureau am fa 6 voix la fa am mbaa mi ngi am ci centre bi 619 voix ñu bëgg xamal